Assalamu suis alaikum. Suluxu Ndiaye, nuyu na la alaikum salam, Man di lay fay N'y Wa père nous Lego entertainment ak jeu concours bi nga xamné mo ngi trois questions cent mille francs 3 questions ñaar fukki voilà exactement Nous lay poser 3 questions so trouver le jox la cent mille francs cent francs nga wax de boy. ñaar mais bien sûr ñaar fukki junni père ëpp tëllëw kon ñu commencer, paré nga bu boy. ok on y va avec la première question. Qui est le premier président du Sénégal Moi, Léopold Layou Non, attends. En français, père. Boy, le premier président du Sénégal, c'est la Léopold Sédar Senghor. Femme ni femme noire, femme africaine. Gordi, s'il vous plaît, contentez-vous de juste répondre à la question. jarul ay femme ni femme noire yow tamit. ah boy damaa bëgg mu leer rek. ok on passe à la deuxième question. Nelson Mandela, il est de quelle nationalité Tu as le choix entre trois pays, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Nelson Mandela, apartheid. Bah, c'est en Afrique du Sud, hein? Ok père, mais on dit sud-africain. Ah boy, ben la rek, en rek un la Afrique du Sud, hein? sud-africain. Ben le, un balen bolé. Ok, on passe à la troisième et dernière question. voilà soo ko trouvé rek moo jox la say 100000. booy mën nga génne ñaar fukki junni de te xam ne dama koy jël sa question yi dafa yomb. ok en quelle année l'esclavage a été aboli et par qui. booy esclavage may jàng école suñu monsieur jàngalu ma ko de changer question bi bopp. père amul changer question de soo xamul rek neel xaw booy xaw ko de même ma réfléchir même ma xalaat. Wow, setan ga bapare. Dead, dead, dead, buldam, fojo, chapal fi, chapal fi. Besel buto bu khonko binga abonai. Eh? Bukon defe video bu bes bunja kerja nengah box mokus nyukon jika setan ya utamit. Hehehehehe. hi, hi, I love you.